Domopole 212 le miroir des Bawal Bawal. Euh, je suis venu pour le parti euh, En Marche pour, la Renaissance du Sénégal, dénommé MPR, dont le président est M. Amidou Chao. En fait, euh, nous venons juste de le faire et nous espérons par la suite pouvoir avoir une, une bonne participation au niveau des élections et je ne sais pas, pouvoir représenter le Sénégal, euh, les Sénégalais au niveau des urnes et avoir le, le maximum d'électeurs. En fait, euh, pour ce qui est du parrainage aussi, nous avions comme objectif euh, les 100 000 parrains. Nous en sommes à 98 000 parrains actuellement et je crois que le cap est déjà atteint ah askanu Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen sant di aussi sant suñu militants yi ak ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale ci liggéey bi ba ñu toll bon pour ce qui est aussi du parrainage comme je le disais notre objectif était de les 100 000 parrains nous sommes parvenus à 98 000 parrains et le travail continue pour la caution aussi on vient ñu ngi ñëw léegi lañ ko déposé pour le parti dénommé MP En Marche pour la Renaissance du Sénégal

maanaam defaraat réew mi teg ko sur le rails loo xam ne aussi moom bu defee li muy def moo xam benn mandat la moo xam ñaari mandat la mu dem abal keneen mu liggéey loolu mooy démocratie te itam képp ko war a bokk ci élection yi ñu may la sa chance nga bokk mais yaakaar na ne yaakaar nañ ne MPR dina dina jël ndam li